le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berlingaure, Chirozerine, Magaria, Maynesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï le forum de la presse pour décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Pour ce vendredi 10 mars, nos invités sont Garé Amadou à ma gauche du journal Événement. Bonsoir Garé et merci d'être euh, là. Il y a aussi Murtala Mamadou du journal La Griffe qui est à ma droite. Bonsoir Murtala. Bonsoir Amadou. merci d'être là. Nous attendons d'une minute à l'autre Soleiman Mamadou du journal Le Républicain. Cette semaine, l'actualité est dominée par la recrudescence de l'insécurité dans la région de Tilabiri, après la récente attaque de Walam qui a fait une quinzaine de morts parmi les militaires, selon des sources officielles. Des individus armés non identifiés ont encore attaqué dimanche dernier un détachement de la gendarmerie nationale entre Wanzarbe et Atakala, commune rurale de Gorwal. Cinq gendarmes ont été tués et un autre blessé selon le bilan officiel. Dans la même semaine, le président de la République reçoit une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est venue soutenir le Niger dans sa lutte contre les actions perpétrées par la secte Boko Haram. Qu'est-ce que nos invités pensent de tout cela Nous verrons leurs analyses et leurs commentaires. Ils vont aussi analyser et commenter la position des députés de la majorité qui disent oui à une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de 200 milliards de Areva. Enquête d'accord, mais pas n'importe comment. Les autres points de l'actualité, c'est la marche suivie de meeting de la place Toumo à la place de la concertation de l'opposition. L'opposition est sortie dénoncer ce qu'elle qualifie, je cite, de mauvaise gouvernance sociopolitique et économique du régime en place. L'école, avec notamment les grèves répétitives des enseignants, des enseignants déboutés par la justice puisque le Conseil d'État donne raison au gouvernement pour évaluer le niveau des enseignants du primaire. On n'oublie pas non plus la célébration de la Journée internationale de la femme. Chers invités, merci une fois de plus de venir. Le Forum de la presse, c'est un espace d'échange pour informer et édifier les auditeurs, un échange dans le respect de l'autre, un échange où c'est la force des arguments qui doit prévaloir. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors pour commencer, disons que nous parlons de, nous allons commencer avec la recrudescence de l'insécurité dans la région de Tilaberi en tout cas des individus armés non identifiés ont attaqué hier, euh, du moins si j'allais dire dimanche 6 mars dernier, un détachement de la gendarmerie nationale entre Wanzarbe et Yatakala dans la commune rurale de Korwal, région de Tilabiri. Une attaque dans laquelle cinq gendarmes ont été tués et un autre blessé. Cette attaque est la deuxième en l'espace de deux semaines. Alexis Kanambriri, euh, analyste et directeur de publication du journal malien Les Échos, décrit ici les particularités du conflit qui se déroule en ce moment dans cette partie du Sahel. Il est joint au téléphone par Tanal Foudé C'est une guerre asymétrique. Ça, c'est la première chose qu'on doit assimiler. Vous voyez le euh, moyen que les Occidentaux déplacent pour les renseignements, pour tracer, mais c'est des gens qui se déplacent à moto, qui, sont, se confondent dans la population, qui n'ont souvent aucun moyen de communication moderne sans temps, qui n'utilisent pas de téléphone, qui ne n'utilisent pas Internet, mais qui font du bouche à oreille. Difficilement, ces gens, vous allez pouvoir les tracer et prévenir ce qu'ils vont faire. Par contre, euh, comme je le disais, le Niger est sur la bonne voie parce que le Niger avait réussi à interdire la circulation de motos dans des zones. Et on a vu qu'effectivement, cela avait donné des résultats. Je pense que c'est vrai, ça fera beaucoup de frustrés et de mécontents, mais ça, c'est une solution à étendre, à maintenir et euh, peut-être à voir comment euh, faire plus. Voilà, nous venons d'écouter Alexis Calandry, euh, analyste et directeur de publication du journal malien sur la recrudescence de l'insécurité dans la région du Tilabéry une analyse donc du journal malien Le Zéco. Euh, je vous annonce euh, l'arrivée de notre autre confrère Suleiman Mamadou du journal Le Républicain. Merci d'être là. Voilà. Donc, euh, vous avez pu suivre certainement Alexis Calandri, c'est par rapport à l'insécurité dans la région de Tilaberi. Mais je veux donner la parole à Murtala quand même, qui était là depuis longtemps. Murtala, qu'est-ce que vous pensez de tout cela Des attaques, en un point finir Vous êtes surpris Pourquoi ça ça reprend tout d'un euh, coup Je ne pense pas euh, qu'il y ait quelqu'un qui doit être, qui, peut être surpris de voir euh, ces attaques, parce que c'est quelque chose qui intervient quand même dans une zone où on l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises, que c'est une zone qui, reste quand même difficile à contrôler, du fait que de l'autre côté, en territoire malien, il n'y a pas une force étatique qui arrive peut-être à, à, exercer un certain contrôle. C'est un maillon faible. Et de l'autre côté, sur la symbolique, je crois que cette attaque intervient euh, quelques jours après que le gouvernement ait décidé d'instaurer un état d'urgence dans précisément cette zone euh, euh, frontalière avec le Mali. Pour la symbolique, on peut être dire euh, que ces différents ces mouvements armés qui ont annoncé d'ailleurs euh, une sorte de construction de coalition. C'est des mouvements armés selon vous euh, Oui, des mouvements, ils sont armés. Donc il s'agit de, de, quel mouvement si c'est comme ça Alors, aux dernières nouvelles, ils se seraient coalisés. Donc il y a peut-être un changement de stratégie. Peut-être maintenant qu'il faudrait s'attendre à une intensification de ces attaques. Mais qu'à cela ne tienne, je crois qu'il faut peut-être qu'on aille change peut-être au Niger ou de stratégie, qu'on aille vers le, dans le sens de, faire participer aux populations à la prévention de ces attaques afin qu'elles euh, puissent collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'on va y revenir euh, le temps de donner la parole à Gary. Gary, qu'est-ce que vous, vous en pensez de cette recrudescence des attaques dans le, nord euh, Niger enfin, dans la région de Tillabéri. Voilà, la région de Tillabéri, vous savez, c'est une longue frontière avec le Mali. Et pour qui connaît un peu la zone, n'est pas étonnant que les attaques aient lieu. Non. Aujourd'hui, ce n'est plus la question que les terroristes sont attaqués ou pas. Non, aujourd'hui, la question, c'est comment se fait-il que les terroristes puissent attaquer et retourner dans leur base C'est ça la grande question que les gens se posent. Comment se fait-il que a l'impression que les positions militaires au niveau de la zone de Tilaberi sont vulnérables. On a l'impression que les terroristes se moquent des militaires nigériens dans la zone de Tilaberi. On a l'impression que les, terroristes se moquent de Tilaberi. Ils, ont donnent l'impression que Tilaberi, ils peuvent l'attaquer chaque jour s'ils veulent. Pratiquement, ils ne risquent pas grand-chose. La dernière attaque. Pourtant, il y a un État. Il y a un système, le système, il faut le revoir. Il y a un problème. Parce que si les terroristes viennent attaquer des positions militaires, n'est-ce pas Et retourner ceux qui ont un problème. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les attaques. Les attaques, il y aura toujours hein, des attaques. Même si on amène un million de militaires de la zone de Tilabéry, il y aura toujours des attaques. Parce qu'il y a des gens, d'un côté, qui veulent attaquer et qui sont prêts à mourir parce qu'on leur a dit que s'ils meurent, ils vont au paradis. Donc ça, les attaques ne se seront pas. Vous croyez à la thèse islamiste Non, c'est les islamistes. Mais ce que je dis, mais ce n'est pas les attaques. Les attaques, il y aura toujours. Mais c'est la riposte. Et pour moi, il est inconcevable que des gens puissent venir attaquer des positions militaires et s'en aller sans être liquidés. Il faut être clair. Parce que pour moi, si vous venez, c'est à vous risque et péril. Sachez bien que si vous venez vous attaquer des positions militaires nigériennes, vous n'allez pas retourner vivant. Il faut que leur commandant leur dise ça. Pourquoi Parce que les militaires nigériens sont redoutables, ils vont vous pourchasser, ils vont vous détruire. C'est ça qu'il faut leur donner le signal. Mais chaque fois, on fait un communiqué, on dit oui, euh, des poursuites ont été engagées. Apparemment, même la dernière poursuite, ça n'a rien donné. Parce que qu'est-ce que les terroristes font quand ils attaquent un on, groupe. On va revenir sur ces aspect aspects du terrorisme. et vraiment, euh, euh, aujourd'hui, de, la présence de l'État tout au long de la frontière. Euh, c'est pas, que l'État n'est pas présent, c'est la riposte qui n'est pas adéquate. J'ai l'impression que on ne punit pas assez les terroristes, ce qui fait qu'ils reviennent à chaque fois. Nous retenons ça. cet aspect, Gary, Suleiman, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Gary Vous avez entendu Murtala Qu'est-ce qui explique cette recrudescence Oui. Est-ce que euh, l'État fait tout pour qu'il n'y en ait pas ou bien euh, Je pense que euh, l'État fait, fait, mais en réalité, il y a quand même des questions à se poser, à savoir que on ne peut pas comprendre lorsque c'est récurrent que ces gens viennent vraiment en toute impunité sanctionner nos militaires en réalité parce que ce qui est inquiétant de plus en tant que civil, nous sommes inquiets parce que lorsqu'on voit, euh, souvent, ils ciblent carrément les forces de, de La dernière fois, c'est une patrouille qu'ils ont ciblée. Ils ont fait des dégâts. Franchement, il y a vraiment des questions à, se poser. Mais je pense qu'en amont, cette situation, c'est le travail fait au niveau du Mali qui n'était pas du tout vraiment achevé à savoir que on a laissé véritablement le danger hmm. Et on a juste rétabli donc, euh, donc ces un peu d'ordre au Mali. Je comprends bien, viennent du Mali. Euh, absolument, c'est-à-dire que c'est un terreau véritablement où les gens sont là organisés. En tout cas, ils connaissent le terrain, ils ont tous les moyens. Euh, lorsqu'on vient attaquer une patrouille, comme on a vu, en tout cas, franchement, la dernière fois, c'est que vraiment, ils ont de gros, de moyens, ils, connaissent le terrain. Parce que, il y a, on nous a dit officiellement qu'il y a des poursuites, mais en réalité, on ne dit pas que, en fait, on a détruit l'ennemi. Donc, franchement, il y a des questions à, se poser. Comment vraiment cela est, reculé Et franchement, dans la zone, c'est connu. Il est grand temps, en tout cas, qu'il y ait une certaine coalition entre... Si vous avez pu suivre notre confrère du Mali, il parle d'un Niger qui est sur la bonne voie. Et puis, il y a aussi les bases étrangères qui sont là, qui en principe sont là pour observer, pour nous donner des informations. Mais la situation perdure, Moutala. Oui, euh, je partage l'analyse d'Alexis parce que euh, il parle d'introduction de, la circulation à moto dans certaines zones. Précisément, c'était la ville de, la ville euh, de Difa. Oui, on a vu les résultats que ça ça produit dans la région de Difa, précisément dans la ville. Mais maintenant, quand on parle de, la partie nord de, la région de Aviv, on parle quand même d'une zone beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste. donc, l'introduction de la circulation à moto, je ne pense pas que ça puisse être la solution, mais ça peut contribuer à à trouver une solution. Euh, maintenant, l'instauration de l'état d'urgence, oui, mais cet état d'urgence, j'insiste, il est utile, mais il ne peut être efficace que si on arrive à convaincre les populations euh, d'être euh, des, véritables lanceurs d'alerte. Parce que entre les différentes positions de nos forces de défense et de sécurité, qui sont relativement distantes, il y a quand même des populations civiles. Et ces, populations civiles sont d'abord les premiers témoins, les premières à voir les, allées allers et retours des ces assaillants. Euh, si vous faites un tour, vous allez, euh, un paysan ou un éleveur va vous dire euh, Oui, j'ai vu ces, ces, personnes-là passer à moto, qu'ils roulaient, etc. Donc, qu'on puisse amener les populations à, prendre conscience du fait qu'elles peuvent et elles ont les moyens, aujourd'hui avec la, pénétration de la téléphonie mobile, d'alerter les forces de défense et de sécurité parce que qu'est-ce qu'on constate Dans toutes ces attaques, les éléments de, forces de sécurité nigériennes sont, sont pris par surprise. Par surprise. S'ils sont pris par surprise, c'est qu'ils n'ont pas l'information. Euh, quand je, voulais un peu euh, parler de cette euh, présence militaire étrangère, on a, on a en principe, oui, qu'ils étaient censés être nos yeux et nos oreilles. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils fournissent ces informations, est-ce qu'ils remplissent ces, rôles de, des yeux et oreilles de nos forces de défense et de sécurité S'ils le font, à qui ils transmettent Et s'ils transmettent euh, au niveau du commandement, c'est que euh, quelque part, il y a faille au niveau de la transmission sur le terrain parce que euh, des hommes, des Nigériens continuent à mourir et à mourir pris par surprise. Garé, Amadou, de l'événement, vous, pensez que les forces étrangères dont on parle jouent réellement le, les jeux de l'information, de l'observation Oui, mais pour le moment, euh, les Nigériens restent sur leur faim. Vous ne pouvez pas empêcher aux Nigériens aujourd'hui de montrer leur amertume. Parce que je l'ai dit sur l'autre plateau, s'il y a un pays que les terroristes devaient craindre d'attaquer, c'est bien le Niger. Pourquoi Parce qu'il y a des troupes américaines avec des drones, il y a des troupes françaises avec des drones, etc., avec un matériel assez important. Même si les drones ne sont pas des drones offensifs avec des missiles, quand même, les drones peuvent donner des informations sur tous ceux tout ce qui bougent, n'est-ce pas Qui traversent la frontière pour faire des dizaines de kilomètres pour l'attaquer et faire des dizaines de kilomètres pour retourner. Parce que c'est là la frustration. Donc, pour le moment, le citoyen moyen nigérien qui ne connaît pas ce qui se passe pour lui, et il a raison de penser qu'ainsi, les forces étrangères, il faut se poser des questions sur leur utilité. Il faut qu'elles se rendent utiles. C'est pourquoi, euh, euh, quand la France, la France a compris le message, parce qu'il y a une frustration qui est en train de monter. C'est pour cela que le ministre de la Défense a dit qu'il va envoyer 80 hommes pour soutenir les forces de sécurité nigériennes. Non, ce n'est pas les 80 hommes, ça ne suffit pas. Ce que qu'est-ce qu'il faut faire Ce que quand les terroristes, ils viennent pas, c'est pas deux personnes qui viennent tirer le coup de feu hmm. sur les militaires. On verra ce que ça va donner comme résultat. Ce que j'ai dit. Mais en attendant, que... le Niger peut compter sur le soutien aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui est venu. Une délégation était là la semaine passée. Il est, il est, venu. Le Conseil de sécurité. En quoi est-ce que ça peut euh, améliorer la situation de la sécurité Le Conseil de sécurité est venu. Même si c'est beaucoup Haram qui est beaucoup plus cité. Oui, mais ils sont, venus. Hmm. Mais, mais, euh, ils ont ils ont fait un point de presse où moi je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais écoutez, vous êtes venus c'est le Conseil de sécurité, c'est très bien. Mais les pays du G5 Sahel ont mis en place une force mixte. Et ils ont demandé une résolution des Nations Unies. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que le Conseil de sécurité des Nations Unies est prêt à voter cette résolution-là pour permettre à la force mixte du G5 Sahel de bien fonctionner ils, ont dit ah oui on, nous a posé la question au Nigeria, on nous a posé la question au Tchad, au Cameroun. Euh, oui effectivement c'est une bonne question, mais euh, euh, c'est un processus long. Vous n'étiez pas convaincu de, la réponse Mais quand même le, représentant du Sénégal au sein du Conseil de sécurité pour secs a dit que en tout cas les pays africains qui sont au, sein du Conseil de sécurité, à savoir le Sénégal, l'Éthiopie et l'Égypte, vont faire le plus plaidoyer nécessaire pour que cette résolution-là soit votée. On va voir. N'est-ce pas Attendons de voir. Mais en tout cas, on les prend au mot. Hmm. Il faut que le Conseil de sécurité montre qu'il se soucie de ce qui se passe. Parce que même la force qui, est en train d'agir, eh, la force mixte au, sein du bassin du lac Tchad, ils ont demandé une résolution des Nations Unies, mais il n'y a pas de résolution. Et s'il n'y a pas de résolution, il n'y a pas les moyens, et c'est les pays qui sont obligés, des pays pauvres, de puiser de leurs propres ressources pour lutter contre le terrorisme. Comment ça peut se faire alors qu'on parle de menace globale. Soleiman, en quoi est-ce que euh, le soutien du Conseil de sécurité au Niger peut améliorer la situation sécuritaire du pays euh, Je constate d'ailleurs que euh, ce Conseil de sécurité, en tout cas où les partenaires internationaux ont franchement contribué d'une certaine façon à ce que la situation euh, soit un peu détériorée parce que, euh, souvenez-vous, à l'initiative, euh, le Tchad, le Nigeria et le Niger, lorsque cette force-là, en tout cas, on voulait la mettre en place, il n'y avait pas de moyens. On attendait justement leur appui jusqu'à ce que les pays eux-mêmes, vraiment, malgré leur, en tout cas, situation vraiment très très difficile, faire face aux besoins d'autres besoins du pays ou dans des pays en tout cas est prioritaire comme le nôtre, il euh, n'y a pas eu cet appui-là, mais nos États ont fait comme l'effort de mettre en place ce, cadre-là. Donc, euh, je dis, ça a donné en tout cas aux forces russes vraiment de s'organiser, en tout cas d'occuper le terrain, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, ce, ce retard-là est en train de se, de, de se ressentir. Mais je pense que, en tout cas, c'est toujours opportun vraiment qu'on se dise qu'au niveau, en tout cas, international, il est grand temps vraiment qu'on prenne des mesures vraiment idoines pour franchement faire face à ce défi commun que vraiment le tourisme. Parce que franchement, euh, ce qui est en train de se passer, il ne faut pas vraiment se, se, se, le, le, nier. Ce que le, on l'a toujours dit, en tout cas, euh, les touristes pas, ne pas comme vraiment. C'est une guerre asymétrique. C'est des gens qui vont en tout cas toujours essayer de cibler euh, quelque chose pour vraiment sévir. C'est-à-dire qu'ils peuvent se cacher, ils peuvent se, masquer, ce qui fait que vraiment, il faut vraiment justement les moyens pour le renseignement mm-hmm. qui sont vraiment euh, qu'on n'a pas pour le moment, franchement. Euh, Boutala, une 30 secondes pour, euh, le Conseil de sécurité. Oui. Le Conseil, la la visite, ce serait bien <coughs> d'ailleurs que ces conseils de sécurité essaient de joindre la parole à l'acte. un soutien manifesté avec un discours qui, frise avec la langue du bois, oui, une résolution pour que le Niger puisse, avec le, en collaboration avec les différents États frontaliers, euh, puisse faire euh, rendre opérationnelle la force multinationale au niveau du, euh, G5, mais aussi la force qui, on l'a vu, a fait ses preuves malgré la vitesse de ses moyens dans la zone du bassin du lac Voilà, merci pour ces commentaires sur cet aspect sécuritaire au Niger. le forum de la presse suite, nous sommes d'accord pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire de 200 milliards de francs CFA de Areva. C'est la substance de la déclaration rendue publique euh, par les cinq présidents des groupes parlementaires de la majorité. Cette déclaration se veut une réponse à l'opposition parlementaire qui réclamait une commission parlementaire dans ce sens. Mais la majorité veut que cette commission soit mise en place dans les règles. Je vous propose de suivre euh, Sadou Dile, vice-président du groupe parlementaire PNDS, au micro de notre reporter Habib Garba. Conformément à la lutte hardie engagée par le président de la République, la majorité parlementaire ne trouve aucun inconvénient à ce que la transparence prévale. La majorité parlementaire soutient toute action tendant à faire la lumière sur ce dossier qui défraie la chronique ces derniers temps. Aussi, le groupe parlementaire de la majorité engage-t-il le gouvernement à multiplier les actions à même de permettre de lutter efficacement contre l'impunité et la mauvaise gestion des biens publics. Nous considérons que la demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire par un groupe de députés ne saurait être l'objet de polémiques politiciennes. Voilà la position de l'opposition, euh, de la majorité parlementaire sur l'affaire dite euh, 200 milliards de francs CFA de Areva, Garé, euh, c'est l'opposition qui a demandé la mise en place d'une commission d'enquête. La majorité semble être euh, dans cette dynamique. Est-ce que c'est sincère, c'est réel et qu'est-ce qui va se passer Mais c'est sincère, c'est fait sur les zones des médias. Je ne vois pas pourquoi vous allez en douter. Ce n'est pas les rumeurs. Une déclaration, Mais c'est une déclaration, n'est pas les réseaux sociaux, n'est pas les rumeurs des réseaux sociaux. C'est une déclaration officielle de la majorité. Comment pouvez-vous en douter Je vous dis, que ça, c'est un pied de nez fait à l'opposition, parce que l'opposition a demandé la mise en place d'une commission parlementaire, mais entre-temps, il y a eu une intoxication monstre à travers les réseaux sociaux. On faisait croire que la majorité forte de ses membres ne va pas autoriser la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Eh bien, c'est non. La majorité a dit qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire et c'est très bien. C'est très bien, d'autant plus que dans cette commission d'enquête parlementaire, toutes les parties seront représentées. L'opposition va désigner ceux qui vont la représenter, n'est-ce pas Et je sais que ce sont les gens qui seront les plus, les plus critiques qui vont siéger au sein de cette commission-là, au sein de l'opposition. La majorité va envoyer ces gens et les non-affiliés vont envoyer ces gens. Tous ces gens-là vont travailler en toute transparence les conclusions de leur investigation. Mais quand, la majorité demande que cette commission soit mise dans les règles de la Mais, c'est un problème ça, que les choses soient. Comment vous interprétez ça Mais, c'est un problème de dire que les choses se pas dans les règles. Mais moi, je vois. mais ce pays-là m'inquiète. Comment est-ce que vous le prenez quand les, députés demandent à ce que les choses se fassent dans les règles Mais c'est évident. Moi, pour moi, il n'avait même pas besoin de le dire. Ce faut que les choses se fassent dans les règles. Il faut que les il faut pas que les gens pensent euh, que qu'est-ce qu'on appelle les choses par les règles. Le ministre de la Justice déjà a demandé au niveau de la justice est-ce qu'il n'y a pas une information judiciaire qui a été ouverte par rapport à ce dossier Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire, il faut la condition sine qua non, c'est que il n'y ait pas une, ouverture donc d'information judiciaire au niveau de la justice. Si la justice a déjà pris ce dossier-là en main, il n'y aura pas de commissaire d'enquête parlementaire. C'est très clair, les textes le disent. Donc il faut vérifier d'abord si la justice n'a pas pris les choses en main. Si la justice n'a pas pris les choses en main, eh bien, la commission d'enquête va s'opposer. Et j'ai dit, c'est très bien pour les Nigériens. Parce que ça prouve que des deux côtés, les gens veulent voir clair. Et que jusqu'à présent, quand même, il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas quelqu'un qui a bouffé un sou. C'est la justice qui va prouver qui a fait quoi. D'accord. Merci pour ce. Euh, monsieur Souleymane du journal Le Républicain. Qu'est-ce que vous pensez de cette position de la majorité qui répond à l'opposition Tout le monde est d'accord pour une commission de parlementaire pour voir clair dans l'affaire Areva je pense qu'en réalité, jusqu'ici, nous sommes au stade euh, des principes. Euh, on peut dire que le décor est planté, est planté à savoir que ce n'est que normal en réalité. Ce n'est pas, ça peut pas être autrement. C'est-à-dire que lorsque maintenant, si c'était le contraire qui, disent qu'ils ne sont pas d'accord, vous voyez, en réalité, je pense que nous sommes, euh, jusqu'à preuve du contraire, sous une démocratie. Donc, par conséquent, quand il y a des manquements au niveau de la gouvernance, la moindre des choses, absolument, c'est d'investiguer, c'est vraiment que tout ce qui doit être fait pour que la lumière soit. Parce que je pense que tout le monde sait qu'en tout cas, depuis quelques semaines, les Nigériens attendent vraiment de savoir ce qui s'est passé. Euh, vous pensez que la lumière va, euh, jaillir réellement Moi, en réalité, je pense que quand je dis le, le décor est planté, en fait, ce n'est pas, euh, si vous voulez, des professions de foi, c'est maintenant, est-ce que le débat va se faire euh, euh, démocratiquement, à savoir qu'un débat contradictoire, en tout cas, tel qu'on on, s'attendait, en tout cas, à savoir euh, qu'est-ce qui a fait quoi, et avec qui, et comment. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'attente des Nigériens. Donc pour le moment, tout le monde est réconforté qu'effectivement, et l'opposition et la majorité sont d'accord absolument à ce que les Nigériens connaissent la vérité. Ça, c'est vraiment élémentaire. Mmh. Mourtala du journal La Griffe. Bien. Vous êtes content, vous êtes euh, réconforté, mais. Je, suis. Je crois que je reste quelque peu dubitatif sur la manière de faire. Je ne vois pas l'intérêt pour les parlementaires qui soient de l'opposition ou de, la majorité venir professer sur les zones des médias qu'ils sont d'accord ou bien qu'ils vont demander une commission d'enquête parlementaire. Si vous voulez le faire, faites-le au niveau de l'hémicycle. Alors, vous voyez, euh, c'est d'abord cette annonce de, l'opposition euh, qui a créé un certain remous au sein de l'opinion, et puis voilà, des, certains, certaines euh, informations qui ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux, qui a conduit le bloc de la majorité parlementaire à réagir. En vérité, ils, ont été contraints, c'était une réaction face à une situation qui était là et qu'ils essayaient de, de, cantonner. en tant qu'acteur politique qu'ils ne pouvaient pas se donc ils l'ont fait, ils l'ont affirmé maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, mais qu'on reste sur les, petites guéguerres, Vous êtes d'accord Oui, eh bien, nous aussi, on est d'accord. Euh, je pense que c'est vraiment rabaisser euh, le, travail de parlementaire. Qu'est-ce qui peut se passer bien beaucoup de choses. Si on comprend bien, vous, vous choses. Beaucoup. Ah, oui, quand vous, il y aura une commission. Euh, même avant même la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire, une information judiciaire peut être ouverte, alors elle ne verra jamais le jour. Au cas échéant, si elle arrive à être mise en place, euh, je vois très mal les parlementaires se départir de ces, prises, de position partisanes euh, pour aller véritablement dans, le sens de, faire le travail qu'il faut afin que la, vérité soit puisse en sortir. Ils vont aller dans cette commission. Je pense qu'ils vont beaucoup plus s'attarder sur des guerres de positionnement, euh, à la limite, vers la fin, euh, aboutir à un désaccord profond et une commission qui, va, qui ne servira absolument à rien. Ça, c'est mon point de vue. Alors, en tout cas, à côté de l'affaire euh, de ces 200 milliards, il y a beaucoup d'autres affaires qui bousculent le régime. Si le régime, chaque matin, on en parle est-ce qu'au fond, le gouvernement n'est vraiment pas empêtré dans des dossiers, des sales dossiers Permettez-moi le mot. Non, euh, euh, il n'est pas C'est de l'ordre normal des choses. Chaque régime a ses dossiers, vous savez. Si le Niger n'a pas commencé avec la cinquième, et, à la septième. Ce régime-là en a beaucoup Oui, mais il y en, a, il en avait aussi beaucoup par le passé. Donc, euh, il faut que les gens se calment. Chaque régime a ses, a ses, a ses, a ses dossiers. Maintenant, il les gère. L'intérêt de la commission d'enquête parlementaire, c'est que, comme je le dis, les gens n'ont pas à douter parce que l'opposition sera représentée. Ce sont les parlementaires qui vont investiguer ensemble. Il y a un quota qui est prévu pour chacun. Ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire avec les députés de la majorité seulement. Hein. Non. Donc, tous les députés sont représentés et je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de, vouloir euh, euh, euh, remettre en cause un principe qui a été établi par la Constitution. Donc, cette commission d'enquête-là va travailler, elle va avoir tous les documents qu'elle demande. C'est ça l'intérêt. Tous les documents qu'elle demande, même si ce sont des documents secrets, ils vont lui être mis à sa disposition. Et les députés de l'opposition, là, vont les voir. Vous, êtes plus, vous, en tout cas, vous êtes très rassuré. Non, je suis euh, rassuré. Le gouvernement est-il bousculé Donc, il faut donner l'impression que. Euh, on cherche à, dire la vérité. Euh, non, franchement, moi je pense que il faudrait aussi souvent ne, pas un peu infantiliser notre assemblée. Notre assemblée, quand on parle le passé, a eu à faire des prouesses euh, ou de grands dossiers. Par exemple, il y a eu le cas de l'ancien Premier ministre Hamoud qui a été mis en accusation, en tout cas qui a été jusqu'à... On a voté une motion de, censure qu'il a fait, qui a fait partir son gouvernement. Il y a eu d'autres situations. L'affaire Meba, effectivement, ça a été discuté. On a euh, même envoyé des, anciens ministres en, prison. prison. Oh, je pense qu'il n'y a pas à se faire de préjugés. Nous pensons qu'en tant que citoyens, euh, oui, on prend acte, euh, mais maintenant, on est vigilant, on va voir comment les débats vont, se faire. Donc, moi, je pense que on n'a pas à, franchement, euh, partir avec des préjugés. Voilà. Laissez le préjugé alors. <laughs> À 18h43, sachez que les militants des partis membres de l'opposition politique regroupés au sein du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République ont répondu samedi à l'appel de leurs partis respectifs à une marche suivie de meetings qui les a conduits de la place Toumo à la place de la concertation. Je vous propose de suivre le président du FRDDR, Ahmad jubo Alidi Max, qui a saisi l'occasion pour dénoncer ce qu'il qualifie, je cite, de mauvaise gouvernance sociopolitique et économique du régime en place. Amadou Gibo. L'opposition politique a toujours mis en évidence les illusions de six ans de cafouillage jalonné d'injustice, de pratiques mafieuses et d'insouciance dénouées de valeurs politiques et morales. L'on se contentera de rappeler que la gouvernance d'Issoufou Mamadou est un échec cuisant, longtemps caché par la stabilité macroéconomique et financière héritée en 2011. Tous les secteurs économiques portent aujourd'hui aujourd'hui les stigmates de sa gestion irresponsable, Adardeuse dont le peuple a fini par découvrir les vrais dessins et le vrai visage. Au plan institutionnel, les acquis démocratiques et les valeurs républicaines ont été anéantis par une caporalisation du système judiciaire, entraînant de fait une justice à double vitesse qui embastille les opposants pour un rien et légitime les crimes gravissimes de tous ceux qui soutiennent Murtala, l'opposition qui sort pour dénoncer la manifestation, votre appréciation de la manifestation et puis euh, euh, l'idée mise en avance, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance Bien, euh, je crois que que l'opposition sorte pour dénoncer ce qu'elle qualifie de mauvaise gestion d'un régime, d'un pouvoir en place. Je crois qu'on est dans l'exercice normal de la démocratie. Maintenant, euh, c'est que d'ailleurs, on devait s'inquiéter si des manifestations de l'opposition ne s'éteignaient pas dans ce pays. Euh, maintenant, sur euh, ce que des propos, ce que reproche l'opposition soi-même, les acquis démocratiques, les, acquis démocratiques seraient menacés selon les, termes de la gestion, etc. Bien, ils sont dans leur rôle d'opposants, peut-être qu'ils peuvent avoir un discours aussi virulent qu'ils le veulent, mais mais, d'un de mon point de vue, il y a des limites à ne pas franchir qui, qui, ont trait peut-être à la remise en cause euh, des, autorités en place. Qui Quelles sont, ces limites euh, Est-ce que l'opposition a franchi le Oui, oui de, mon, point de vue, le Rubicon a été franchi dans les propos euh, qui ont été tenus à l'occasion de cette manifestation quand le président de, de, parle de, dire adieu au peuple nigérien. C'est comme si une sorte d'incitation ou je ne sais pas quoi à, à mettre un terme à un régime qui en place à des autorités quand même qui sont issues d'élections, malgré les contestations qui ont émaillé dans le respect des, règles, non euh, Non, je crois que euh, essayer d'aller euh, dans ce sens, de faire cette genre d'appel, de mon point de vue, c'est franchir, en tout cas, au pire, au mieux, on est dans de la, zone orange. Au mieux, on reste dans l'orange. Alors, quand on est dans la zone orange, d'un point de vue de la zone orange à la zone rouge, il n'y a pas grand-chose à, faire. Euh, Maman Suleiman, quand Murtala parle de jaune orange, vous, vous parlez de quoi bon, moi, de façon générale, il a dit, c'est tout à fait normal qu'une opposition, en tout cas, manifeste. Vous l'avez dit, ils ont des raisons suffisantes euh, dans les dossiers, ne serait-ce que, que dans la presse, euh, on parle des scandales, effectivement, c'est tout à fait normal, mais vraiment, comme euh, tout le monde l'a constaté, il y a des excès dans les propos tenus, en tout cas par les opposants, à savoir que demander par exemple le départ du président de la République régulièrement élu, c'est un accès, mais surtout aussi des propos un peu injurieux insultants des, autorités, ça, ça, entache, si vous voulez, un peu l'image, ça écorne l'image de, de, de, l'opposition, mais euh, je pense que c'est comme une autre, un autre constat, euh, Parce que pour elle, les acquis sont démocratiques sont en train d'être menacés. Bon, à partir du moment où ils sont venus manifester, dire euh, tout leur, tout ce, en tout cas ce qu'ils dénoncent, c'est déjà comme c'est pas la première fois qu'ils sont sortis manifester, ils ont manifesté. C'est la première manifestation, en tout cas, après les élections. Ils l'ont fait avant, non, non, ils l'ont fait avec la société civile. Ils l'ont fait avec la société civile. Donc, dans tous les cas, je pense que euh, c'est quand même ainsi important. Le fait que c'est une seule fois qu'ils ont eu à, manifester, c'est quand même déjà un, progrès, en tout cas d'un point de vue de, la démocratie. Ce qu'ils ont dit, les propos qu'ils ont tenus, je pense que, ah, franchement, si c'est une situation vraiment exceptionnelle, le jour-là, certains ne, passeraient pas la nuit à la maison. On peut pas venir des, les autorités et les situations de, et rentrer chez tranquillement. Oui, <laughs> mais la manifestation, elle était monstre. Hein. Mais justement. Il y a eu, euh, du monde. Euh, vous, savez, effectivement, c'est cela, arrêter la, la, la, démocratie. En réalité, lorsqu'il y a une une, majorité, comme il faut le reconnaître, euh, par exemple, tout le monde le sait, il faut appeler un chat un chat. Euh, l'opposition, par exemple, euh, notamment le parti Lumana, est censé être, en tout cas, avoir Niamey comme fief. Donc, on n'est pas étonné, effectivement, qu'il y ait vraiment une telle mobilisation. Hmm. Euh, donc, bon, ce n'est que. Garen non plus n'est pas étonné par l'engouement des militants qui sont sortis. Niamey, c'est le fief de l'opposition. C'est le fief du parti Lumana. C'est ici que Lumana fait le grand score et Lumana est le principal parti de l'opposition. Ce n'est pas étonnant. Mais ce que j'ai dit, il faut faire attention, il ne faut pas se moquer des Nigériens. Vous comprenez Qui se moque des Nigériens Non, j'ai dit, quand j'ai, suivi les propos de l'opposition, j'ai dit, l'opposition se moque des Nigériens, l'opposition se moque des institutions démocratiques. Pourquoi je le dis en, disant que les acquis démocratiques sont menacés. Non, non sérieux. L'opposition a, manifesté, l'opposition a manifesté le jour où le Conseil de sécurité a tiré à Niamey c'était une marche programmée qui a été reportée. Et démocratique et qui a euh, été reportée, mais qui, est autorisée. Du fait de l'insécurité. Autorisée quand même, monsieur Hamado Oui, mais elle a estimé, estimé que sont ses propos. Il y a eu des attaques et c'est une façon de compatir. Soit, soit, le plus important, c'est que le Niger est un pays démocratique. La preuve, c'est que malgré tout ce qu'ils étaient en train de dire, c'était une marche autorisée, une manifestation autorisée qui s'est déroulée malgré tout ce qu'ils disaient sur la remise en cause des libertés, c'est une marche autorisée. Ils ont marché, ils sont partis, ils ont fait leur blabla. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est Mais écoutez, je vais vous dire une chose. C'est pourquoi je dis il ne faut pas se moquer des Nigériens. Il faut faire attention. Vous pouvez. Euh, les discours enflammés, on en a vu. Le PNDS l'a fait quand il était à l'opposition. Ça, il est, au pouvoir aujourd'hui. Oui, il est au pouvoir aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait normal. J'ai dit, l'opposition est dans son bon droit. Ne vous attendez pas à ce que l'opposition vienne dire que tout va bien au Niger. C'est ce fait, Non, non l'opposition ne peut pas venir dire que tout va bien au Niger. même si tout va bien, ils ne vont jamais le dire, l'opposition, c'est son rôle. Mais faire attention. Quand vous venez vous dites au président de, vous dites au président de, faire, de dire adieu au Niger, quand vous appelez les gens à la désobéissance civile, parce que quand vous appelez les syndicats, la société civile à se désolidariser, je vous dis les expressions de ce régime, et de, venir se joindre à l'opposition, quand vous dites au président de dire adieu à ce régime, j'ai dit, il faut faire attention, c'est un appel à l'insurrection, et ça, ça doit être fermement condamné. Et c'est pourquoi j'ai dit, ils sont Il n'y a pas de stratégie. Moi, je m'étonne. Qui écrit le discours de l'opposition mais qui écrit ces discours complètement eh, eh, eh, incendiaires qui nous qui, n'ont aucune limite, qui appelle à la haine, qui appelle à, l'assassinat d'un président C'est qui qui les écrit ces discours-là dans ce, dans propos qu'on vient d'écouter, mais quand vous dites un président, la mais un président a été démocratiquement élu. L'opposition peut chercher le pouvoir en 2021. Vous pouvez dire aux Nigériens, au vu de ce qui se passe, en 2021, ne votez pas pour le président. Mais n'appelez pas. Non, euh, quand on est démocrate, c'est dans le comportement qu'on l'exprime. Merci Et c'est quoi être démocrate Non, attendez, je vais finir. C'est très important qu'on mette les points sur les i ici au Niger. Quand on est démocrate, mm. c'est qu'on doit respecter l'ordre constitutionnel. Un président a été démocratiquement élu. La communauté internationale a salué ses élections, Elle a participé mm. à, la prestation de serment, n'est-ce pas Les opposants continue à ne pas le reconnaître comme président, mais c'est un président, n'est-ce pas un des, un, des, un, des du régime, c'est d'avoir abandonné. Euh, on va continuer à garer. Un des tards du régime, dit l'opposition, je reprends l'expression, c'est d'avoir abandonné le système éducatif. Eh bien, euh, alors, dans le cadre de la résolution du système éducatif, le gouvernement a saisi, du moins le ministère de l'enseignement primaire a saisi euh, le Conseil d'État pour statuer sur l'organisation de l'évaluation des enseignants. Eh bien, le Conseil d'État donne raison au gouvernement. Et vous avez entendu le ministre euh, Marty euh, qui, menace si les enseignants ne vont pas dans ce sens, eh bien, ils seront revoqués. Est-ce que euh, c'est une position très tranchée, Mourtala? de la Très tranchée qui est d'ailleurs, de mon point de vue, dangereuse. Pourquoi Parce que je rappelle que c'est au niveau primaire, 72 000 enseignants, 72 enseignants. Vous, voyez, le niveau. vous avez la quasi-totalité des syndicats du secteur de l'éducation qui se trouvent euh, en porte-à-faux avec cette décision de justice. Et, beaucoup de ces militants n'ont pas effectué la formalité du dépôt de dossier à CEDA. Donc, euh, quand le ministre euh, va se retrouver dans une situation où il va mettre en exécution cette menace, il va se retrouver avec une bonne partie du de, personnel, de l'enseignant qui va se retrouver au chômage. Et je me demande où est-ce qu'il va retrouver les enseignants pour pouvoir les remplacer. L'évaluation aura lieu, selon vous L'évaluation lieu, c'est tout à fait normal qu'on puisse évaluer. Je ne vois aucun problème à ce qu'on évalue. Euh, l'autre pomme de discorde, le discours des, syndicalistes, de mon point de vue, qui sont dans leur rôle de, de, euh, dans un rôle corporatiste tout à fait normal, qu'ils contestent la production, la demande de production des pièces telles que le diplôme, etc. Ok. De mon point de vue, si vous avez déjà produit un document sur la base duquel vous avez été recruté, je ne vois pas la difficulté pour vous de le reproduire à nouveau. Maintenant, ici, au niveau de l'appréciation, la discorde se trouve au niveau de la forme, la procédure mm, elle-même. Et quelque chose qu'ils peuvent, de mon point de vue, du euh, euh, le ministre est très menaçant selon vous euh, Bon, vous savez, ce que j'ai compris, faut respecter les règles. Ce, que j'ai compris en observant justement en tout cas, le point de presse des, différents ministres, fait par le ministre d'État chargé de l'Intérieur, euh, j'ai compris une chose, euh, en tout cas au niveau des gouvernants, c'est une décision donc euh, au niveau de l'État. Donc, estime que eux, en tant que gouvernants, ces réformes sont nécessaires, et ils vont le faire. Donc là, ils prennent sur eux la responsabilité de le faire. Maintenant, nous, en tant que citoyens, ce qu'on se dit véritablement, espérons que qu'il y ait vraiment de la pertinence, je veux dire que l'intérêt général soit pris en compte. Mais souvent, en tout cas, des manières cavalières de faire ont tendance effectivement à échouer parce que simplement. Euh, c'est une manière cavalière du, ministre. D'une certaine la... façon, moi, quand, je dis, que, quand je dis, que, ça a été décidé, ils l'ont dit. Euh, ils l'ont dit, euh, que pourra, ils ont décidé parce qu'ils considèrent que eux, en tout cas, en tant que gouvernants, leur vision, ce que leur perspective, c'est il n'y a rien à faire, il faut le faire. Donc, euh, euh, juste une minute, mais je pense que véritablement, c'est une question assez sensible, la question de l'école. Il va falloir vraiment euh, impliquer les acteurs, en tout cas, ne pas vraiment faire un truc. C'est la meilleure manière d'impliquer tous les acteurs ou bien il faut, il faut forcer il faut, il faut aller avec les décisions prises Oui, d'abord, il faut aller doucement. Ce qui s'est passé prouve que le Niger est un pays démocratique, malgré ce que l'opposition politique a dit. Parce que dans un pays. Ça, une non, dans leur déclaration, ils ont parlé de, l'école. Ce que je veux dire par là. Oui, on a dépassé ça, mais on est toujours dedans. Ce que j'ai dit, euh, parce qu'il y a une acquaintance aussi entre l'opposition et donc euh, entre certains acteurs de la société. Mais ici, quand c'est clair, c'est Non, c'est connu, c'est pas un secret. Les enseignants ce que j'ai dit, cette décision. ce que j'ai dit, euh, dans un pays qui n'est pas démocratique, le gouvernement aurait fait fi de tout ce que les, syndicalistes allaient, dire pour faire l'évaluation malgré tout. Mais comme apparemment, il y a, c'est vrai qu'il y a une décision le qui Mais comme c'est un pays démocratique, attendez, laissez-moi. s'il euh, vous plaît. Monsieur Hamado, euh, souffrez que je puisse exprimer mes idées parce que si je ne peux pas exprimer mes idées, ça ne peut pas aller. dans un pays démocratique, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ont contesté l'arrêté du ministre. Le ministre est parti au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État a donné un verdict qui dit que le ministre était dans son bon droit de faire ça. Donc, il faut qu'on apprenne à respecter les, décisions judiciaires. C'est quoi de respecter les décisions judiciaires Les syndicalistes prennent acte que le ministre a le droit. Maintenant, on ouvre les tractations. Comment cela va se faire Parce que, comme l'a dit euh, euh, Mourtala, c'est la manière. Mais il est entendu qu'aujourd'hui, avec la décision du Conseil d'État, le ministre avait raison. et que l'évaluation en elle-même. Non, la fermeté. C'est ce qu'il a dit. Hein. Oui, je comprends si bien. Vous n'obtempérez pas, je vous allez être je comprends, je comprends, bien, n'est-ce pas Puisque Puisqu'il est fort de cette décision de justice. Et il, a... mais, mais ce que j'ai dit, moi, moi, mon souhait, c'est que malgré tout, malgré tout, eh, le ministre doit ouvrir des négociations, en tout cas des tractations avec les syndicalistes pour voir comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette décision du Conseil d'État qui dit que le ministère peut faire l'évaluation. Merci Garé. Et on finit avec la journée de la femme qui a été célébré, le Niger l'a célébré. Qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement Vous avez 30 secondes pour conclure. Oui, avec la de la femme. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le combat pour, euh, euh, en tout cas, l'émancipation ou faire en sorte que les femmes puissent avoir tous leurs droits est, un combat de longue haleine parce que vous avez. dans le chemin au Niger on est dans le chemin, mais il y, a, encore des choses. Il y a des, problèmes parce que vous avez vu dans la composition du gouvernement, il y il y a eu des problèmes. Le quota n'est pas respecté etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que le chemin est long et il appartient aux femmes de se mobiliser de faire en sorte que tous les acquis en tout cas tout ce qui leur a été promis à travers les textes fondamentaux de la République soient respectés. Suleiman, la journée internationale de, la femme. Euh, je pense Réfléchir sur les conditions de la femme, c'est cela l'idée. Hmm, je pense que quand même, il faut reconnaître, il y a des acquis, tout comme il y a des défis énormes euh, pour la femme. Nigérienne. À commencer d'abord par la femme rurale, euh, qui est encore euh, à d'autres réalités, d'autres situation plus pressante. Mais de façon générale, je pense que le combat est à faire par les femmes elles-mêmes et aussi l'appui des hommes parce que véritablement, on ne peut pas se développer en ignorant en tout cas la moitié, ou plus la moitié de la population. Et c'est Murtala Mohamed de la Griffe qui conclut sur la Journée internationale de la femme. Bien, la Journée internationale de la femme. Au Niger, tout en reconnaissant qu'il a eu beaucoup d'avancées, mais je crois que beaucoup reste à faire, surtout pour ce qui est de, la, femme en zone rurale. Le quota, je, ne dirais pas que je, je, je pas jusqu'à dire que je m'en fous, mais je crois que c'est quelque chose euh, à minimiser euh, par rapport à ce que vivent les femmes en milieu rural, qui de l'aurore au crépuscule sont en train de mener des activités, un travail qui n'est même pas comptabilisé à plus forte raison être rémunéré. Merci Murtala pour cette conclusion sur la Journée internationale de la femme et c'est la fin de ce forum de ce mardi 10 mars, vendredi pardon. 10 mars avec l'âge Suleiman Mahmoud du journal Le Républicain, Gare Amadou du journal L'événement et Murtala Mahmoud du journal La Griffe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine.